bëgg ñu baax xam nañ xam nañ ceebu keccax eh, la ceebu keccax mais est-ce que mun nga ko togg bu baax ok ah ki nee na mun na togg maafe ki nee na mun na togg ceebu keccax dina leer non mooy sama plat préféré nag franchement c'est dama ko bëgg ba duma ko bëgg di lekk souvent souvent pour di ko nam en fait c'est un plat que j'adore j'adore alors quel est l'artiste préféré de Dija alors man moom bon j'aime bien j'aime beaucoup je dirais ça Amy Winehouse c'est une c'est une artiste que j'écoute très souvent que j'ai découvert pourtant même enfin avant je j'avais pas ben artiste préféré parce que comme on aime trop la musique. Mhm. donc pourquoi kuy. non dégg ma artiste bien artiste nga wax j'ai dit Amy Winehouse donc Guy yi c'est une. Euh, hein, américaine voilà le def pop music malheureusement elle est décédée il n'y a pas longtemps. Mhm. voilà donc euh, Rehab n'est qu'un un titre phare que que j'adore de ses morceaux parce qu'elle a une voix vraiment qui me, qui me fascine, une voix qui me, qui me, voilà quoi, qui, me fait vibrer. Donc euh, j'aime bien, j'aime beaucoup cette, euh, cette femme. Et voilà, j'aime la pop music. Pop music, ok. Donc Degondo euh, tout à l'heure on va te l'offrir. quel est le pays de rêve de la diva Dijan Alors, je dirais pas un pays de rêve, parce que bon, c'est un pays que j'aime beaucoup, parce que

parce que mon mari vient de là-bas. Ah bon euh, bah <laughs> Ok kon yow si Mimi ok moi t'as kañ Maria di ree comme pour moi. ok c'est du gars espagnol ouais. super kon yow dal nga hein, si en plus catalan est-ce que nekkul qui, euh, nu mu tuddati Barça mhm. nekkul sa équipe voilà. réserve Je suis. <laughs> yaa ngi yaa <laughs> ok c'est super donc kon yow Barça ngay supporter championnat Ah ah oui, bi. Ah des fois kan ngay supporter ban équipe. Eh, Barça yow tamit <laughs> da ngay sot. Ah Maria. Ah. <laughs> yéen nag waa Sénégal ñëpp a ngi leen di déglu ngeen ne Barça mooy seen équipe. c'est que Catalan lañ ko seqal de Catalans. ok leer ma ne moomoo tamit Barça lay supporter. voilà. ok moo tax ngeen doon numéro un yéen tamit parce que Barça ay numéro 1. Ok, c'est super. Le pays de rêve, c'est Espagne. Alors, euh, juste après le pays de rêve, le sport préféré, elle, nous a dit catch. Et on a demandé ce sport préféré. Bon, naturellement, je vais virer au foot, la ça, Encore une fois, je vais <laughs> football. <laughs> de joueur la <laughs> joueur de football. Oui, da Messi le Messi. ok numéro 10. Super. Alors, on passe euh, à la troisième question. Ça, c'était une question, la question numéro 2 à 5 points. Troisième question, qu'est-ce qu'elle aime faire le plus dans la vie, euh, déjà bon, alors, À part lek, que... parce que déjà, beaucoup a beaucoup lec. Ok. À part lek, qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans la vie Bon, là, je pense que c'est ce que je suis en train de faire hein. ici. Je dirais chanter, hein? parce que voilà. La musique. Ouais, c'est ma passion, c'est ma vie, donc c'est voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc elle aime chanter. Euh, alors, elle, aime passer du temps avec euh, son bébé. Toi, tu aimes chanter. Alors, quel genre Aujourd'hui, vous venez de nous dire que vous avez un mari. N'est-ce pas Alors, l'idéal pour toi, c'est qui ou bien c'est quoi il, faut être, comment, pour, euh, être l'homme, pour être le mari, pour être le mari de Dija, il faut être comment Il faut être beau, il faut avoir un teint clair, un teint noir, il faut être élancé, il faut être costaud, il faut être court, long. Il doit être comment le mari de Dija Bon, ça, je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de l'épouser. Voilà, cet homme, l'idéal pour me voir. Hein. Donc, l'idéal, bi ah bah ok donc il est comment maintenant l'idéal comme ça les auditeurs vont savoir nous mën a dundee yaakaar si euh, des ak Maria à peu près tamit bien sûr bon je pense que c'est ce que j'ai dit un homme euh, je dirais aimant parce que lolo, euh, je xam vraiment voilà quoi il y a une passion entre vous voilà c'est du vrai il y a du respect il y a la confiance voilà il y a toutes ces choses qui nga euh, on va dire que ay base une solide pour une relation pour nous deux voilà c'est ça d'abord que je cherche comme critère que j'ai cherché et que j'ai trouvé comme critère d'abord hein, parce que euh, le respect la confiance voilà l'amour pour quand il y a ça bon voilà on touche du bois on a de grandes chances pour que ça marche donc il y le def que je suis tombée sur un homme comme ça donc voilà ngeen ñaanal mais yow xooloo si ay taille ay couleur affaire yu demee noonu wala diine bi tu xooloo si loolu wala. non je dirais pas hein, parce que donc euh, je pense que leer na hein, parce que si c' est un espagnol ça veut dire beaucoup de choses. da nga yàgg bëgg tubaab yow kon. même pas c' est voilà je pense que ay nit lañ ah. ñu xeeb quoi ñun sénégalais yi quoi. <laughs> waaw mais mooy loolu rek àdduna comme li ñu wax rek bon l'amour n'a pas de frontière ah donc ñun ñëpp ay nit lañ. yàlla moom bu ne la kii la lay booleel nga kii la lay booleel te je pense que weesu nañ jamono yooyu ñuy def ay euh, voilà quoi. di def dégg na olof moom. ah waaw am na ay mots yu yu mu jot man daal am na yu mu si sol waaw yooyu moom duma ko <laughs> wax. <laughs> man yaa ngi koy jàngal. maa ngi koy jàngal baax. Euh, super. on a compris. Euh, merci encore une fois pour la réponse. Alors, euh, aujourd'hui, quel a été le meilleur moment vécu de la vie de la diva déjà Alors, ça, moment, je pense que c'était quand j'ai eu mon fils. Il a 3 ans et demi maintenant. Donc, ah. je pense que oui. Ce premier bébé. Voilà, j'ai qu'un seul bébé pour l'instant. Donc, voilà, donc ça, c'était un moment qui voilà qui m'a doom hein? <laughs> eh dafa neex de hein ah ndeysaan yow ji doom dafa neex de ok yow bu nga am doom waaw cheikh oh, ay cheikh la bu am cheikh <laughs> seex yu jigéen wala yu góor bu ma si am baax na dañ doon ay cheikh la ok Xadija <laughs> ya dégg sama cheikh mo wax lo ñaanal ko dégg waaw mom triplé la ko ñaanal ah bon ok c'est super donc euh, c'est la naissance de ton bébé ok moo nekkoon ce meilleur moment sori ci xol mm. waaw jigéen bu ne ñaan nga yàlla dund ba am doom mm-hmm. donc bu ñu ko yàlla may sant yàlla je pense pas que euh, am na bonheur bu weesu loolu donc euh, il est au Sénégal actuellement ou bien en Espagne non bien sûr il est là <laughs> ok super ok alors on passe euh, à la question suivante le pire moment maintenant ça c'est le meilleur moment le pire moment bu ñu def nag comme defa non c'est que pire loolu dama koy garder pour man di waaw <laughs> xoolal ñëpp am pire moment ok juste après naa ko posé ok quel a été le pire moment vécu de de Dija Ben, ñu si nag yéen tamit bàyyi <laughs> Wow, man euh, tout à l'heure yaa ngi wax dese c'est vraiment si ça m'a rappelé mon grand papa que j'adorais parce que bon euh, dafa nekkoon kenn koo xam ne euh, voilà sama xarit la woon nga maam dafa neex torop torop donc mm. dama daan ànd ak di di ko coton tout le temps tout le temps donc euh, xam nga bu nekkee xale rek donc tu t'es pas encore conscient si dee doo ko mën a analyser donc koo xam ne da nga daan nekk moom chaque jour tey yàlla jëlee ko fii donc tu comprends pas je pense que loolu bokk na jusqu'ici si moment yi ma gën a metti voilà donc euh, ouais. ok merci alors est-elle une femme fidèle ou infidèle déjà fidèle ok super euh, marié ou célibataire, on sait que tu es marié. Super. Alors, les deux autres questions, c'est à l'arrivée de votre ami invisible, d'accord euh, qui se nomme tout simplement Sir. Et nous bénissons c'est Sir, parce que toutes les jeunes filles sénégalaises rêvaient d'avoir comme ami invisible Sir, parce qu'il fait partie des plus beaux mecs de la série Pot et Marichou. <laughs> Ainsi que Sayer. Alors sur ce, il nous reste que Maria, et puis on va accueillir les garçons. Maria la